Comme on dit, nous sommes des disciples de, de Tanor qui avaient euh, un en, bandoulière, bandoulière comme référentiel d'être et de faire euh, l'organisation et la méthode. Et l'organisation et la méthode euh, sous-entend chaque chose en son temps en tout cas, Tanor était foncièrement euh, ancré dans la coalition Benno Bokoyakar, avec l'onction, bien sûr, des militantes et des militants du parti. Pratiquement, il est, il est, mort euh, arme en main dans ce grand combat qui était l'élection de de, l'élection du président Macky Sall. Et nous qui sommes ses dignes héritiers et continuateurs, allons s'inscrire dans ce sillage à maintenir et à conforter la coalition Benno Bokk maintenant comme on dit nous sommes en 2000 euh, en 2020 euh, euh, et que les élections présidentielles c'est dans quatre ans donc quatre ans dans la vie politique c'est quelque chose et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'engagement qu'il avait pris auprès de Macky Sall que nous continuons à l'honorer que nous continuions à, renforcer la coalition Benno Bokuyakar et que nous faisions comme c'est lui qui était le président de la République. Parce que ce qu'il était en train de faire, il le faisait pour le Sénégal, il le faisait pour les Sénégalais. Et un bon socialiste, c'est-à-dire républicain jusqu'au bout, nous allons essayer de continuer à, porter et à assumer son leg politique. Je pense que le Parti socialiste n'a besoin de de prendre des leçons de courage de personne. Le Parti socialiste a, toujours assumé avec courage toutes les décisions politiques qui s'imposaient. Parce que rare était cela qui pensait que le Parti socialiste n'osait pas regarder les Sénégalais d'en face pour leur dire que, au regard de ce que nous avons vu chez le président Macky Sall, il est le meilleur candidat. Ça, c'est un acte de courage majeur contre vents et marées. Ousmane Tanordien en qui nous nous réclamons a fait preuve de courage en restant attaché et chevillé aux idées qu'elle croyait meilleures pour le pays, meilleures pour le Sénégal et meilleures pour le Parti socialiste. Et comme on dit, le moment venu, nous allons s'inscrire dans le même sillage parce que le Parti socialiste euh, euh, a toujours gardé sa souveraineté quand il s'agit de prendre des décisions majeures. Et les décisions majeures seront articulées d'abord autour du de ce grand rassemblement qu'est le Benno Sigil sénégalais où le Parti socialiste est membre fondateur et partie prenante. Donc le Benno Bokéakar n'est pas le Benno Bokéakar de la paire, c'est le Benno Bokéakar de ses partis membres, dont le Parti socialiste. Donc nous allons y jouer pleinement notre, notre, notre, notre responsabilité, nous allons pleinement assumer notre responsabilité dans cette coalition, mais parler de, parler de courage ou pas, je pense que ça c'est du verbiage et ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est ce que nous faisons et ce sur quoi euh, euh, les Sénégalais nous attendent. Ça, ce n'est pas à moi d'en décider. Le Parti socialiste est un parti démocratique. Ah, mais c'est une éventualité politique. Mais comme on dit, une éventualité qui sera euh, affirmée ou infirmée par la réalité politique, par, par ce que nous dictera la réalité politique en 2024. Parce que, mais pourquoi voulez-vous exclure que le futur candidat du Parti social, de Benno Bokoyakar ne soit pas issu des rangs du Parti socialiste Parce que nous avons dans le Parti socialiste des, des des, responsables qui ont la carrure, le parcours euh, euh, et l'envergure euh, voilà, qu'il faut pour être le candidat de Benno Bokyakar parce que, en tout, cas, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les personnes, mais c'est les équipes et ce que nous avions entamé avec tous les membres de la coalition Benno Bokoyakar, sous l'impulsion bien sûr du président Macky Sall, et nous allons continuer. En tout cas, comme l'a si bien dit Tanor, luy yàq benn Bokk Yaakaar du jóge ci parti socialiste